le forum du studio le forum du le forum le forum le forum le forum le forum auditeurs et du Studio Kalangou, bonsoir et bienvenue dans cette édition du Forum du Studio Kalangou qui va durer 45 minutes d'horloge. Si vous nous entendez en ce moment, c'est grâce à un réseau de 20 radios partenaires disséminés à travers le Niger qui relaient les programmes du Studio Kalangou basé à Niamey. Ce soir, nous allons débattre du droit international humanitaire dans un contexte de conflit où les civils paient le riz fort. Qu'est-ce que c'est que le droit humanitaire international Dans quel cas et comment le droit international humanitaire protège les civils et dans quel cas les civils perdent la protection que leur accorde le DIH. Ce sont entre autres questions que nous tenterons d'élucider au cours de cette émission. Comme invité avec nous au studio, Dadi Omar, chargé de communication au niveau du Comité international de la Croix-Rouge CICR. Bonsoir Dadi. Bonsoir et Maître Souleymane Seydou, qui est avocat et membre du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme, Raza Press, DIH, DH. Bonsoir Souleymane. Bonsoir. Merci à tous d'avoir honoré notre invitation. Bonsoir à tous. Nous débattons ce soir du droit international humanitaire et la participation supposée ou avérée des civils aux conflits armés. Le droit humanitaire international, appelé aussi euh, le droit de la guerre, est un instrument qui érige des conduites à tenir en cas de guerre. Alors je ne vais pas me hasarder de plus sur la définition du DIH puisque les spécialistes sont là. Je m'adresse à vous, M. Dadi Omar, chargé de communication au niveau du Comité international de la Croix-Rouge. D'abord, une brève présentation du, CICR pour les auteurs. Je vous remercie énormément. Euh, le, Comité international de la Croix-Rouge, que j'ai l'honneur de représenter euh, ce soir, est une commission, comité, une organisation humanitaire internationale la plus ancienne au monde, 154 ans euh, actuellement. C'est une organisation qui est assez atypique puisqu'elle euh, a la charge, la lourde charge, je dirais, d'être un acteur qui est, qui est présent pour protéger, assister les personnes qui sont affectées par un conflit armé. Donc vous imaginez que c'est un travail particulièrement délicat dont nos collègues payent souvent le prix, au prix de leur vie. Les volontaires Que ce soit des volontaires ou, ou des membres du comité international de la Croix-Rouge, euh, c'est un, travail pour lequel, lorsqu'on s'investit, on, accepte de, prendre certains risques. C'est un travail qui est très exaltant puisqu'il s'agit de, de, protéger et d'assister des personnes qui sont extrêmement vulnérables et qui, pour qui l'aide ou l'assistance que qu'offre le CICR est une question de vie ou de mort parfois. Donc euh, c'est une organisation atypique, je disais. Son mandat, c'est de protéger et d'assister les personnes qui sont affectées par les conflits armés. Le CICR est présent dans plus de 80 pays au monde et surtout sur tous les conflits majeurs. D'accord. Alors, euh, qu'est-ce que le droit humanitaire international, son objectif et ses moyens d'action Alors, pour, pour, faire simple et que, pour que tout le monde nous comprenne qu'il n'y ait pas de juridisme, le, droit international humanitaire, qu'on appelle aussi DIH, c'est l'acronyme DIH, c'est un ensemble de, normes juridiques qui ont pour, pour but de protéger la vie et la dignité des personnes qui ne participent pas à un conflit, c'est-à-dire les personnes civiles, ou des personnes qui ne participent plus à un conflit, ça veut dire des gens qui qui étaient belligérants et qui, qui étaient belligérants et qui du fait de blessures, donc de blessés, ou parce que ces personnes se sont rendues, donc des personnes détenues ou prisonnières. Donc ils protègent cette catégorie de personnes-là, celles qui participent pas à un conflit, celles qui participent plus à un conflit. Deuxièmement, le DIH a pour but aussi de réglementer les moyens ou les méthodes de guerre. En gros, l'idée c'est que la guerre a des limites, elle a des règles on ne peut pas tout se permettre lorsqu'il y a un conflit armé, on doit suivre ces règles-là. Attention, le DIH est contemporain tel qu'il a été codifié, mais, les règles du DIH relèvent du droit coutumier. Les premières règles, vous pouvez par exemple les retrouver dans le droit islamique. Lorsque le prophète salam conduisait la guerre sainte, il a, il a énoncé certaines règles, par exemple en disant ne brûlez pas les maisons, ne brûlez pas les lieux de culte, protégez les personnes blessées. C'est tout ça le DIH. Toutes ces règles qui ont pour but de protéger la vie, la dignité de certains types de personnes lorsqu'il y a un conflit armé. D'accord. Donc, en gros, c'est un certain nombre de, règlements qui, sont contenus, par exemple, qui limitent euh, euh, les, moyens, qui, qui organisent la conduite des hostilités lorsqu'il y a un conflit. Et ces règles-là se retrouvent dans des normes, les plus célèbres sont les conventions de Genève, mais aussi dans tout un tas de normes internationales et qui sont intégrés en général dans le, corpus national. Quel est l'historique de ces IH, ces droits internationaux ben, pour, faire très, pour, faire très, court, l'historique, ça remonte aux temps anciens lorsqu'il y a eu les premiers conflits. Dès qu'il y a eu un conflit, ils ont tenté d'instaurer les règles. Mais pour revenir à un droit plus moderne, c'est à partir de 1964. la première convention de Genève est née là. Et après, il y a eu toute une série de conventions qui ont été mises à jour selon les défis qu'organiser les nouveaux conflits après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, et de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, on utilise des drones. C'est un dilemme qui se pose pour le DIH. Et donc, le DIH tente à chaque fois qu'il y a de nouvelles méthodes de guerre, qu'il y a de nouvelles conséquences sur un type particulier de personnes, de s'adapter en énonçant des règles qui renforcent la protection. Ces règles sont respectées euh, de nos jours ben, il, suffit, selon moi, c'est une question extrêmement importante qui relève du bon sens aussi. Mais regardez un peu ce qui se passe dans les conflits, regardez un peu l'hécatombe qu'il y a dans, partout au monde lorsqu'il y a des conflits. Mais bien sûr qu'il y a énormément de règles du DIH qui sont, qui, sont violemment bafouées, comme vous le dites. Mais pour autant, ça ne pose pas la question de la, de la pertinence du DIH parce que le DIH protège, le DIH est essentiel. Mais maintenant, c'est les porteurs d'armes, les parties prenantes qui doivent euh, Merci. Nous allons revenir à vous. Le temps de, passer à Maître Suleiman Seydou, qui est avocat et, je le disais, membre du Rassemblement des acteurs pour la promotion et, le respect du droit humanitaire international et des droits de l'homme, DIH. DH. Alors la question que je voudrais vous poser aussi, c'est peut-être de nous décliner euh, votre organisation, le Razapress DIH, DH. Euh, il est né quand Il est animé par quel acteur Et quels sont ses objectifs et missions Ok, merci. Euh, je pense que c'est une chance d'être autour de la table avec les délégués de communication du parce parce qu'en réalité, notre structure est née des activités qu'on a eu à suivre avec le comité international de la Croix-Rouge qui ont eu il y a des années de cela à nous former aux règles du droit international humanitaire, à la faculté des sciences économiques et juridiques. Et donc, euh, c'est à partir de, cette formation-là que euh, certains acteurs qui ont eu la chance de bénéficier de cette formation ont décidé de, de se réunir en une structure, en une association, pour voir dans quelle mesure ils peuvent apportent également leur contribution à la promotion et à la vulgarisation du droit international humanitaire. Donc c'est de là que qu'est partie l'idée de création du Razapresse DIHDH, entendez par là le rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit international humanitaire, en abrégé Razapresse DIHDH. Euh, c'est une structure qui est animée par, par des juristes, par des juristes. Essentiellement Non, pas essentiellement des juristes, des juristes, des avocats que je suis, des magistrats, des médecins, des journalistes et même des jeunes étudiants. Et donc on, regroupe à nos seins en tout cas euh, presque toutes les couches sociaux professionnelles en réalité. Et donc en termes d'objectifs, comme je l'ai dit, c'est d'apporter également notre pied à l'édifice. La question du droit international humanitaire, nous, nous avons estimé que c'est une question extrêmement importante auquel euh, il, faille que chacun d'entre nous apporte sa pierre pour que tout le monde soit sensibilisé sur les, les, tenants et les aboutissants du droit international humanitaire. Et donc, euh, c'est partant de là que nous, nous organisons nos petites activités, des conférences, des séminaires, euh, des concours de plaidoirie et, je le rappelle, en étroite collaboration avec le comité international de la... sont, quelles sont vos principales cibles la cible de vos formations, vos conférences, débats Ok, d'abord, c'est la jeunesse. C'est elle qui constitue l'élite de demain. Les étudiants de l'université Abdou Moumouni de les forces de défense et de sécurité, et euh, plus précisément les élèves du, du Britannique militaire, parce que nous estimons qu'ils sont amenés demain à conduire en tout cas certaines opérations en, matière de conflit, et également les journalistes. Et donc voilà en grosso modo en résumé les, les que nous avons. Alors si on fait un état des lieux donc, euh, sur la connaissance même du droit international humanitaire et son application ici au Niger, est-ce que vous avez l'impression que ce droit euh, est, largement connu, et bien connu, bien appliqué ou euh, le reste encore des... Ben, la connaissance et son respect. Je pense que je ne suis pas suffisamment qualifié pour répondre à cette question, mais j'estime que en ce qui nous concerne, nous nous essayons de faire de notre mieux. Le chargé de communication du CIC est là, ils sont sur le terrain, ça fait des années. Je pense qu'il est à même de répondre à cette question, mais je pense que en termes de connaissances, il y a quand même suffisamment de progrès. Aujourd'hui, hein, cette question prend de plus en plus de l'ampleur, tant ce qui concerne au niveau des jeunes, mais également des autres couches de la vie sociale. Et donc, moi, je peux dire qu'il y a une avancée significative quand même. Hein, par rapport aux années antérieures. Et la cible, les journalistes, pourquoi vous pensez que les journalistes, vous impliquez les journalistes dans, euh, dans vos activités c'est extrêmement important parce que les journalistes sont souvent au cœur des conflits les journalistes sont sur le terrain, ils font des reportages, ainsi de suite. Et donc, il faudrait qu'eux aussi, ils soient suffisamment euh, outillés par rapport à cette question de Liège. Parce que le journaliste, comme on le dit, c'est le quatrième pouvoir. Le journaliste, c'est la bouche et l'oreille des citoyens. Il faudrait que les journalistes soient suffisamment formés quant aux, règles en ce qui concerne le droit international humanitaire, mais aussi leur conduite sur le terrain, de telle sorte qu'ils ne doivent pas entraver les activités euh, peut-être euh, des différentes parties au conflit. Merci. Euh, peut-être un mot d'Adi Omar sur l'état des lieux du respect et de la connaissance aujourd'hui que la population du Niger dispose de, de, cette question. Je, de je suis plus à l'aise sur la question de la connaissance parce qu'elle est plus facile à évaluer. Il suffit de, de par exemple, mesurer la quantité d'activités de formation qui ont été faites. Et là, <clears throat> en gros, la présence de, de maîtres est un bon signe qu'effectivement beaucoup d'efforts ont été faits sur la, sur, la, sur, la, sur la, connaissance du DIH. Actuellement, par exemple, à la faculté des sciences économiques et juridiques, à partir de la troisième année et dans certains instituts, le DIH est enseigné, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Donc ça, c'est déjà très bien. Maintenant, on sait que les principaux concernés par la question du DIH ou par son application, ce sont les porteurs d'armes entre autres. Et donc, quels efforts sont faits pour que le soldat qui a une formation initiale aujourd'hui soit en même temps outillé sur quelles sont les règles essentielles du DIH. Et là aussi, un grand pas a été fait. Euh, je note euh, sans aucune arrêt penser euh, le caractère constructif du dialogue qu'a le CICR avec les forces armées et les défense nationales sur la connaissance du DIH. Le droit international, le droit humanitaire. Par exemple, euh, il y a deux ans, nous avons mm, officialisé l'aboutissement d'un long processus qui était l'élaboration d'un manuel de formation pour les forces armées et de sécurité uniquement sur le DIH. Oui. Donc actuellement, oui, sur la formation initiale, le soldat est formé en DIH. Au niveau du recyclage, au niveau des écoles de formation des officiers, sous-officiers, il est fait. Au niveau des officiers d'état-major, la formation est faite sur le DIH. Le DIH est connu par les forces armées et de sécurité. Reste le respect, son application. Qui est une toute autre question qui est, à mon sens, beaucoup plus complexe que la question de, de formation et qui dépend d'énormément de choses et de contexte. On pourra toujours en discuter. Nous passons euh, à la deuxième partie de, cette émission qui concerne donc la conséquence de la participation ou pas des civils au conflit. Comme vous, le savez, depuis euh, de nos jours, les conflits armés se sont accrus à travers le monde. Les hostilités ne sont pas toujours menées que par des hommes en uniforme parfois relève euh, la participation des civils. Le terrorisme est un phénomène mondial qui entraîne et implique souvent des civils, hommes, femmes, âgés ou adolescents. L'on est tenté de dire que cela constitue un vrai défi pour le droit humanitaire international qui a une, protection aux civils sur la notion de droit humanitaire international et la notion du civil, nous nous sommes entretenus avec le euh, Dr Medoka Aboubakar, qui est le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques. Euh, il va jusqu'à nous expliquer dans quel cas le civil perd son statut de civil. Le droit international humanitaire est la branche du droit international dont l'objet est de régir la conduite des hostilités sur le terrain. Le but du droit international humanitaire est d'introduire un certain degré d'humanité dans la conduite des hostilités en assurant un minimum de protection aussi bien aux combattants lorsque ceux-ci ne sont plus en mesure de combattre euh, qu'aux populations civiles qui doivent être épargnées des horreurs de la guerre. Quelle est cette notion de, civil Qui est réellement civil dans un contexte de guerre euh, La notion de civil s'applique à toutes les personnes qui ne sont pas membres des forces armées régulières ou qui ne sont pas membres des groupes armés organisés. Donc c'est ce qu'on appelle les civils qui jouissent d'une protection euh, accordée par le droit international humanitaire. Alors on a vu que ces, civils peuvent être dépourvus de, la protection que leur confère euh, donc le droit humanitaire international. Quels sont euh, les critères qui leur font perdre cela Les civils jouissent de la protection du droit international humanitaire en ce sens qu'on ne peut pas les soumettre à des attaques directes les civils ne constituent pas des cibles militaire légitime dans le cadre de la conduite des hostilités. Cependant, il y a des situations où les civils peuvent perdre cette immunité que leur confère le droit international humanitaire. Ce sont les cas où ces civils prennent part à la conduite directe des hostilités, ce qu'on appelle donc la participation directe aux hostilités. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ces trois critères euh, Ces critères sont euh, le seuil de nuisance, la causation directe et le lien de belligérance. Le seuil de nuisance euh, fait référence tout simplement au degré ou à la capacité des civils impliqués dans une action de porter atteinte euh, au déroulement des hostilités sur le terrain au profit d'une partie et au détriment de l'autre. C'est ce qu'on appelle donc le seuil de nuisance. Euh, cette nuisance pouvant se manifester sous la forme d'infliction de pertes en vies humaines, euh, de dommages au matériel, de guerre, etc., etc. La causation directe, c'est le lien de causalité entre l'acte posé par le civil et le dommage causé qui peut avoir un impact sur la conduite des hostilités au profit d'une partie et au détriment de l'autre. Le dernier critère, c'est le lien de belligérance. Le lien de belligérance, c'est l'intention qu'a le civil qui prend part à la conduite des hostilités d'apporter une contribution au profit de l'une des parties et au détriment de l'autre. C'est ce qu'on appelle le lien de belligérance, c'est-à-dire euh, le désir non équivoque de s'impliquer dans la conduite des hostilités au profit de l'un des belligérants. Docteur Medoka Aboubakar, doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques que vous venez d'écouter. Euh, je me tourne vers vous, Omar Dadi, euh, chargé de communication du Comité international du, Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Une réaction peut-être, un complément euh, d'information au propos de Medoka Aboubakar Oui, mm, le docteur Medoka Aboubakar est, un, des, experts du DIH, du international humanitaire, avec lequel le CICR travaille justement pour faire euh, des formations, des conférences, afin de diffuser les règles essentielles du DIH. On a fait récemment une conférence sur la thématique justement de la participation euh, des civils au conflit. Après, c'est un des dilemmes du droit international humanitaire. Et c'est un dilemme qui n'est pas récent finalement. Lequel dilemme Le dilemme que justement des civils euh, puissent participer à un conflit et finalement quelle est la portée juridique de la participation et en quoi ça fragilise la protection qu'offre le droit international humanitaire. Il est important pour, pour le bien de tous et que pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit, quand on dit un civil, dans, l'imaginaire collectif, c'est juste quelqu'un qui ne porte pas un uniforme ou qui ne porte pas une arme. Attention, parce que de plus en plus de, conflits dans le monde, vous avez des armées qui, qui ont un type d'organisation qui est parfois assez artisanale et vous ne verrez jamais des gens en uniforme Ça n'en fait pas des civils. C'est pas parce qu'ils ne portent pas un uniforme et qu'ils ne circulent pas à rang avec des bérets qui sont des civils. Attention, ici la notion de civil se borne à des gens qui ne participent pas du tout à un conflit, qui ne sont pas incorporés dans des troupes, qui ne sont pas euh, cantonnés, mais qui, de façon extrêmement fortuite et limitée, ont pu participer à un conflit. Donc, je vois très bien, et je veux juste qu'on n'y ait pas d'amalgame, parce que de plus en plus dans, nos contextes, on voit bien que dans des conflits, les gens ne portent pas forcément d'uniforme, et on aurait tendance à dire que c'est des civils. Non, attention, ils restent des combattants. Voilà. D'accord. Et euh, justement, comme vous l'avez dit, certains civils sont souvent indexés à tort ou à raison comme partie prenante aux hostilités. Alors, je ne sais pas, le CICR, dans ce genre de cas, que, euh, qu'est-ce que vous faites Bon, en gros, vous savez, ce n'est pas qu'une question théorique. Moi, ce que je, je, voudrais rappeler, c'est que en, tant que euh, mandat, par la communauté internationale pour apporter, pour protéger les personnes euh, qui, sont impliquées dans, euh, un conflit. Le CSA une grosse partie de son action, et c'est son action la plus historique, qui est de protéger par exemple les personnes qui sont détenues en lien avec un conflit. Lorsqu'il y a un conflit, les personnes peuvent être arrêtées. Quand c'est un conflit armé international, c'est très simple, c'est les prisonniers de guerre. Ils ont des droits, c'est très bien explicité par les conventions de Genève. Lorsque c'est un conflit armé non international, c'est pas, ils n'ont pas le statut de prisonnier de guerre, mais c'est quand même des personnes qui sont détenues et qui ont des droits. Et les droits, c'est entre autres à la vie, ils ont le droit à la vie. Donc on préserve leur vie, on ne peut pas juste euh, les exécuter. Euh, ils ont le droit qu'on préserve leur dignité, leur santé, donc pas de traitement inhumain et dégradant. Ils ont le droit à ce qu'on puisse leur permettre d'échanger, de garder le contact avec leur mm-hmm. famille. Donc un certain nombre de, de droits essentiels inhérents à la personne humaine doivent leur être garantis, préservés et de bénéficier un procès équitable. Si c'est si un, un État, un gouvernement qui, qui, juge des personnes qui ont pris des armes contre un gouvernement, ben, il, y a des griefs qui leur reprochent. Et c'est des griefs qui sont contenus dans le code pénal ou dans le code procédure pénale du pays. Et dans ce cas-là, il y a des procédures pénales qui prévoient le respect des droits euh, de ces personnes-là, donc des garanties judiciaires. Nous, on, on travaille surtout, essentiellement, sur le premier aspect, Lequel aspect ben, L'aspect de, personnes qui sont détenues. Donc, on fait des visites. Oui, quelle assistance Oui, justement. On quelle fait est la forme de l'assistance que vous apportez à ces gens C'est plus une forme de protection. Qu'est-ce qu'on entend par protection C'est que lorsqu'une personne est, détenue, en général, et comme ça se passe très bien aussi au Niger, le CSR est informé et le CSR fait une première visite pour prendre les identités des personnes. Et une fois que ces personnes-là sont dans un centre de détention définitif, par exemple en prison, le CSR les visite régulièrement et donc il les suit. L'idée, c'est quand même de, s'assurer que ces personnes-là continuent à être traitées dans des conditions humaines et décentes. Et après, euh, le CSR essaie aussi de renouer le lien de ces personnes-là avec leur famille. Et tout ça, strictement encadré par le droit national et les standards internationaux, et surtout en étroite collaboration et transparence avec les autorités détentrices. D'accord. Et je me tourne vers vous, Maître Soleiman Sedou, avocat, euh, membre du Rassemblement des acteurs pour la promotion du droit international humanitaire et des droits de l'homme. Euh, Raza DIHDH. Vous avez écouté aussi euh, avec nous docteur Aboubakar Medoka. Une réaction peut-être Un complément Bon, je pense que notre enseignant, le professeur Medoka, a suffisamment explicité la question je pense que c'est extrêmement euh, important euh, l'aspect sur lequel il a insisté, cette question de participation directe des, civils. Parce qu'aujourd'hui, euh, on se pose plusieurs questions de savoir pourquoi est-ce que aujourd'hui des civils, la population civile se retrouve devant nos juridictions et à être à même à, à maintes pour des actes qu'ils ont commis alors que ce ne sont pas des soldats, ce ne sont pas des, des éléments d'un groupe de forces armé, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour dire qu'aujourd'hui, même étant un simple civil, si vous participez activement ok, au conflit, vous n'êtes plus sous le coup de la protection que le droit international humanitaire a eu à accorder. Je pense que c'est extrêmement important pour que les Nigériens puissent euh, comprendre cet aspect des choses, de telle sorte que euh, chacun dans sa cellule familiale, ne puisse pas, lorsqu'il y a un conflit, surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, le contexte de Boko Haram, où il y a les recrutements passés par-là, on recrute les jeunes, ainsi de suite, on vous avoir fait des opérations, des transactions. Il faudrait que les gens soient extrêmement vigilants par rapport euh, à toutes ces choses-là, parce qu'on peut les considérer comme étant des actes qui sont susceptibles de nuire à l'une parties, oui, à l'une ou à l'autre des parties au conflit. Donc, c'est ce que j'aimerais apporter comme élément. Alors justement, cette question de, des civils qui sont souvent euh, pris à partie, euh, donc euh, comme étant faisant partie de d'un ou de l'autre camp des belligérants, quelles sont les conséquences immédiates pour ces départs dans les deux cas civils dont la participation est supposée ou avérée la première des conséquences, d'abord lorsque vous n'êtes pas civil, donc on va prendre la chose à contrario. Lorsque vous êtes un civil, c'est que vous bénéficiez de toute la protection. On ne peut pas vous attaquer, on ne peut pas vous faire ceci. Vous bénéficiez, en tout cas, vous jouissez de toutes les garanties qui ont été prévues par les dispositions du droit international humanitaire. Mais si vous violez, ok, ce statut qu'on vous accorde, statut de civil, je parle de violation, c'est-à-dire vous quittez votre statut de civil et que vous devenez cette partie, partie prenante aux hostilités, mais la protection qu'on vous accorde, vous êtes déchu de cette protection, vous ne pouvez plus vous prévaloir de cette protection vis-à-vis des autorités ou vis-à-vis de l'une des, des, parties au conflit. Et donc vous devenez cette fois-ci euh, une cible pour les combattants, vous pouvez, bien entendu, comme on le, on le dit, être neutralisé, puisque en réalité, le but, ce n'est pas de tuer, même étant hein, une partie financière c'est même pas de faire de neutraliser la personne. OK, et de minimiser le risque en termes de destruction en matière de vie donc la première des conséquences, c'est que vous payez catégoriquement la protection. Deuxième conséquence, c'est que vous pouvez être bien entendu à trait devant les juridictions lorsque l'acte que vous avez eu à, commettre est susceptible de recevoir une qualification pénale. Et c'est ce qu'on constate oh, devant nos juridictions. Alors justement, j'allais en venir. Vous, vous avez participé euh, récemment à un certain nombre de procès dirigés contre quelques éléments présumés de de Boko Haram. C'était euh, il y a trois semaines, je pense, euh, ici même à Niamey. Euh, une vingtaine d'entre ces personnes qui ont été jugées ont été acquittées finalement. Est-ce parce que leur culpabilité n'a pas pu être finalement établie Bien entendu, lorsque une personne hein, n'arrive pas à, à être condamné, cela suppose que le parquet, le ministère public n'a pas suffisamment établi l'élément constitutif de l'infraction pour lequel il est poursuivi. Et donc, chacune des parties au procès, ministère public, euh, la défense, vous devez prouver sans l'ombre de qu'un doute que la personne hein, qui est amenée devant la juridiction a eu à commettre telle et s'ils ils ont été acquittés, c'est justement parce que le ministère public, partie poursuivante, n'a pas pu démontrer suffisamment que les éléments ou les charges qui sont retenues contre ces personnes-là euh, sont avérés. Et donc, les juges, dans le silence de leur recueillement, ont euh, estimé que les éléments de preuve qui ont été rapportés par la partie poursuivante, le ministère public, euh, n'emportent pas leur conviction. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont bénéficié de toute cette liberté-là que vous avez Nous allons y revenir, euh, le temps de voir avec Dadi Omar, qui est chargé de communication au niveau du CICR. Alors, dans ces genres de cas où des personnes se trouvent être emprisonnées pour, pour ces genres de, de, de crimes, et que par la suite leur culpabilité n'a pas pu être euh, établi et qu'il se retrouve à être libéré. Est-ce que le CICR a une autre mission cette fois-ci, peut-être de l'air acheminement vers l'air lieu, je ne sais pas Oui, je vous remercie pour cette question. C'est en effet une question essentielle. Euh, comme vous le savez, on, parle de DIFA, on est à 1300 km de Niamey et parfois les gens qui sont détenus ont énormément de mal à rentrer chez eux dans le cadre, dans un cadre strictement humanitaire, le CICR effectivement offre des services pour, amener des gens euh, qui ont été libérés dans leur domicile. On l'a fait on a fait avec sur demande euh, du gouvernement et c'est comme je l'ai dit pour une situation strictement humanitaire. Ça participe de ce que nous faisons qui est de rétablir et de maintenir les liens de famille entre les personnes qui sont détenues et leurs familles. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de souffrances psychologiques autour de ça, des personnes, mais surtout leurs familles qui parfois n'ont absolument pas de nouvelles de leur. Je voulais aussi euh, très rapidement intervenir en, en, en, rappelant que le droit international humanitaire n'empêche en rien que euh, les pouvoirs publics d'un État se saisissent du dossier de personnes qui ont été impliquées euh, dans le cadre d'une euh, insurrection armée contre, qui ont pris les armes contre leur État. Le, droit international humanitaire n'est absolument pas en porte-à-faux avec, avec cela. comme je l'ai dit, faisons juste attention dans la nuance qu'il y a entre des combattants et des civils. Euh, une personne qui ne porte pas d'uniforme, qui n'a pas reçu de formation militaire, mais qui a, choisi d'intégrer un groupe armé et de prendre des armes, n'est plus une personne civile, c'est un combattant. La, personne civile, euh, ainsi que l'a rappelé euh, le, professeur Maïdoka et aussi maître Suleiman, est vraiment une, personne qui ne participe absolument pas, mais qui, à une ou deux occasions, selon des critères précis. a pu participer où on a pu considérer qu'elle a participé au conflit. Et c'est pour cette personne-là que se pose un problème de droit, de qualification, et d'où le dilemme que vous évoquez. Mais pour toutes les personnes qui ont été arrêtées en lien avec euh, le conflit, le CICR les visite, en accord avec les autorités détentrices, leur offre sa protection qui est de recueillir euh, leurs conditions de, vie dans les maisons d'arrêt et de les assister par exemple, Hein, dans, le cadre de, l'hygiène, de l'accès à l'eau, de la santé et parfois aussi hein, de l'alimentation. Mais euh, quand il s'agit de l'air défense, euh, est-ce que le CICR s'implique jusqu'ici Non, absolument pas, absolument À ce moment-là, nous considérons que dans, le cadre d'un État organisé comme celui du Niger, le mécanisme, au niveau du tribunal, même de protection, existe, notamment le fait qu'il y ait nécessité, par exemple, pour toutes les personnes qui sont poursuivies pour des pour des crimes qui est un avocat commis d'office. Donc à ce moment-là, le CICR n'intervient pas, il se préoccupe surtout de, s'assurer que ces personnes sont détenues selon les, standards nationaux et internationaux. D'accord. Euh, Maître donc je le disais, vous, avez pu participer à l'un de ces procès et euh, on avait cité que certains de ces éléments présumés ont pu être euh, libérés, acquittés. Et est-ce que ces gens ont droit à un dédommagement ou pas s'il se trouve que la personne a été arrêtée sur, des bases non fondées ben, C'est une question très simple, mais complexe à la fois. Euh, je l'avais déjà rappelé. Vous savez, euh, toute personne qui est poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant les juridictions hein, par le respect également du principe du contractoire. Bon, il s'avère que dans le cas spécifique en ce qui concerne ces éléments, quelques-uns ont été acquittés. Est-ce qu'ils ont droit à réparation, oui ou non ben, Lorsque quelqu'un cause un acte qui vous cause forcément un préjudice, il faudrait que ce préjudice soit réparé. C'est ça le droit. Mhm. Aujourd'hui, vous avez été détenu deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, on vous a privé de votre liberté, vous avez subi nécessairement un préjudice matériel, moral, psychologique même d'ailleurs. Et même, bon, je, ça dans le préjudice moral. moral. Et donc, pour dire que vous avez droit à une indemnisation. Maintenant, le problème qui se pose par rapport à cette indemnisation, c'est la procédure à suivre. Quelle est la procédure qui doit être suivie pour bénéficier de cette protection Je l'ai dit, la loi euh, a prévu à ce que ce soit trois magistrats professionnels de la Cour de cassation qui seront désignés à travers une commission qui est chargée d'assurer la réparation. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, cette commission n'a pas été mise en place. Et du coup, devant qui est-ce qu'on va aller demander réparation Puisque la commission qui est chargée d'accorder auquel les dommages et intérêts n'a pas été mise en place. Et donc, d'un point de vue théorique, d'un point de vue théorique, d'un point de vue des tests, oui, ils peuvent bénéficier de la protection. Mais d'un point de vue pratique, pour les praticiens que nous sommes, d'un point de vue pratique, il est extrêmement difficile d'avoir cette réparation parce que la commission qui est chargée de statuer sur ces questions-là n'a pas encore été mise en place. Ça, c'est uniquement pour ce genre de délit ou bien pour tout pour tout, euh, dommage causé, il n'y a euh, aucun, tribunal, je ne sais pas, où, on peut se diriger pour demander réparation Il y a deux sortes de situations qu'il qu'il faille distinguer. Première situation, un citoyen lambda porte plainte contre vous sur des fausses bases. Ok, sur la base de cette plainte, vous êtes arrêté, vous êtes détenu. Vous avez passé des mois en prison et par la suite, on vous relaxe parce que les faits pour lesquels vous êtes poursuivi ne sont pas suffisamment établis. Alors, cette personne-là qui a eu à porter plainte contre vous, qui est à la base de toute la procédure, vous pouvez assigner cette personne-là en réparation du préjudice qu'il vous a causé devant la juridiction civile. C'est différent de lorsque c'est le parquet, le ministère public qui se saisit de la question, comme c'est le cas hein, pour ces euh, personnes. Ce n'est pas une personne qui a porté plainte contre eux. C'est le parquet, suite aux investigations que les gens ont amenées, qu'ils ont été appréhendés. Eh bien, le parquet fait partie du système judiciaire. Le parquet engage une procédure. À la fin, vous bénéficiez de la relaxe. Et donc, dans ce cas spécifique, c'est la commission de la Cour de cassation qui est chargée d'accorder la réparation, ce qui doit être distingué de l'hypothèse où c'est un particulier, un civil qui porte plainte contre vous devant la juridiction. À lui, le particulier, vous pouvez vous retourner contre lui devant la juridiction civile qui est fonctionnelle, mais celle de la Cour de cassation qui résulte du dysfonctionnement du système judiciaire, elle, on va encore entendre pour un bon bout Donc temps. Donc à ce jour, il n'y a pas cette commission n'est pas encore mise en place. Vous savez pourquoi Non, je ne suis pas dans le secret du politique. Mais ce que je peux dire, d'un point de vue des, tests, des tests, il est prévu que la commission Hein? la commission est créée, mais on dit qu'il faut prendre un test pour nommer les magistrats qui composent un décret, commission. Un décret, décret, bien entendu. Et donc ça, c'est une question plus politique hein, que juridique euh, à laquelle je ne saurais vous donner une réponse euh, satisfaisante. Monsieur Dadi Omar du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, euh, peut-être une réaction avant que je ne pose. juste un petit commentaire pour compléter ce qu'a dit Maître, c'est que à côté de la de, du préjudice subi et qu'on peut imaginer réparer, euh, réparer, essayer de réparer, il ne faut quand même pas oublier que ces personnes qui ont été arrêtées, euh, même lorsqu'elles sont libérées, vont continuer à être stigmatisées euh, probablement par leur communauté comme ayant été présumées ou même qui vont continuer Les à gens ne comprendront pas qu'ils sont innocents. Exactement. Donc il y a ces questions de stigmatisation et de réinsertion de ces personnes qui doivent être je pense, à mon avis, mieux étudié par les pouvoirs publics et en y associant évidemment les cercles communautaires. Parce que c'est absolument fondamental pour ce personnes-là de pouvoir se réinsérer euh, correctement, d'être mieux accueilli par les populations. Et ça passe forcément par une, meilleure sensibilisation de communauté sur comment a pu se passer euh, euh, un, peu tout ce processus, toute cette phase-là. Et à la fin, peut-être, il ne faut quand même pas oublier que est, il s'agit des, des fils d'un même pays et les conventions le protocole additionnel 1 des conventions de Genève encourage les États, lorsqu'il s'agit d'un conflit armé euh, non international, encourage les États à envisager les solutions vers une réconciliation des communautés. Donc c'est des solutions qui, qui, laissent entrevoir la possibilité d'une médiation sociale qui permette euh, il ne s'agit pas d'impunité ou, ou, d'encourager l'impunité, mais dans les cas où c'est possible d'encourager une sorte de, dans, la perspective de réconciliation, de faciliter un peu le retour des personnes euh, en, famille, puisque a priori on constate que ces personnes-là ont pu prendre les armes pour des raisons politiques. Mais là, je parle d'un point de vue général et pas forcément du conflit actuel. Hmm, mais est-ce l'exemple, par exemple, euh, des de, de des gens qui acceptent de. Ben, sans être dans, le secret de, décisions qui ont été prises par le gouvernement, mais je comprends très bien que lorsqu'on est à la tête d'un gouvernement, on a on, a toujours cette préoccupation, d'une part, de préserver la sécurité de tous, mais d'autre part aussi de, préserver un peu euh, euh, le socle social. Il y a quelque chose à faire quand il y a un conflit, quand il y a de la violence, il y a, une fracture de la société. Et il n'y a jamais eu de conflit qui a été réglé totalement par une réponse militaire. Il y a, il y a toujours une réponse euh, sociale à envisager. Et c'est peut-être ça l'idée du gouvernement. Encourager les gens à revenir dans une perspective de réconciliation et surtout finalement avancer sur ce conflit. Il ne faut quand même pas oublier que cette région de Difa euh, actuellement est une région qui, qui d'un point de vue économique, est en totale banqueroute, d'un point de vue humanitaire, dans une situation humanitaire, je ne dirais pas catastrophique, mais, mais extrêmement désastreuse. Et donc, toute solution envisageable pour ramener un peu de quiétude dans cette zone-là et, permettre aux populations enfin de vaquer normalement à leur activité est une solution qui, à mon La question que je voudrais vous poser, c'est euh, toujours par rapport à, la demande de réparation, est-ce que le CICR intervient sur cette question de, réparation pour des, gens qui ont été pris euh, ben, en, situation de guerre ah, et ah, qui euh, se révèlent être innocents alors, le, CICR intervient dans la région de l'IFA. Je, vais vous donner juste un chiffre. Chaque mois, nous, nous, distribuons des vivres à plus de 75 000 personnes. Donc, nous, nous n'allons pas singulariser et prendre le cas d'une personne parce qu'elle aurait été relaxée et puis l'assister. non, mais si cette personne-là fait partie des personnes identifiées dans une région comme Bosso, par exemple, comme ayant été affectée par le conflit et qui se retrouve du fait du conflit sans aucune ressource, elle et sa famille seront assistées comme toutes les personnes qui sont dans la même situation. D'accord, euh, nous allons avancer. Donc, ce, notamment sur les voies et moyens euh, de pouvoir vulgariser davantage euh, le droit international humanitaire. À votre avis, sur quoi l'accent doit être mis en place pour euh, l'accent doit être mis pour que ce droit soit davantage connu, soit davantage respecté par les, les, parties au conflit ben, Selon moi, d'abord sur un leadership politique. Ben, c'est une question qui doit être prise au sérieux par les premiers responsables politiques. Dans quel sens ben, dans, le sens où c'est une question d'engagement. Le Niger, vous savez, est un très bon exemple d'accès, de, ratification des conventions internationales. Nous avons ratifié toutes les conventions, pratiquement toutes les conventions pertinentes en ce qui concerne la transition humanitaire. Et c'est le politique qui le fait. Lorsque le politique décide de, de ratifier des conventions, c'est qu'il veut qu'elles soient applicables. Après, il y a toute une série de choses à faire. Il faut les domestiquer. Il faut prendre des lois nationales d'application. Le Niger est aussi un bon exemple là-dessus. Maintenant, une fois que ça c'est fait, alors, il faut qu'il y ait une traduction entre la volonté politique qui était de ratifier et de faire en sorte que jusqu'au soldat qui tient une arme, qui est sentinelle à Bosso, que ce geste se traduise à travers le comportement du soldat. Entre les deux, qu'est-ce qu'il y a Il y a des questions de formation. Les questions de formation sont essentielles. Ce n'est pas que donner la connaissance, mais c'est aussi intégrer le DIH, le droit d'intervention humanitaire, dans toutes les procédures et tactiques opérations des forces armées de sécurité. Il y a de gros efforts qui sont en train d'être faits dans ce cas-là, mais c'est un travail qui nécessite une très forte implication. Il ne faut pas oublier quand même, et ce n'est pas que les forces armées nigériennes ou les forces armées de, de cette partie du monde, on a actuellement dans le monde des conflits déstructurés. En fait, les armées ont été formées pour affronter d'autres armées dans le cadre d'une guerre conventionnelle. De plus en plus, ces armées se trouvent dans, un, énorme dilemme. Et ce n'est pas que les armées du bassin du lac Tchad. Comment est-ce qu'elles peuvent faire face, donner une réponse militaire à un conflit qui est asymétrique avec le moins d'impact possible sur les populations civiles Par exemple, la question que, la question que nous discutons aujourd'hui est essentielle. On est dans un conflit où de plus en plus de combattants s'assimilent à la population civile. Comment un militaire, un soldat par exemple, peut distinguer, un soldat, euh, pardon, une, une, personne civile d'un combattant. C'est essentiel. Et pour cela, il faut de la formation et il faut des règles d'engagement très claires. Et tout ça, c'est du leadership qu'il faut, politique à un niveau supérieur, mais aussi au niveau du commandement. Et je, peux vous dire que nous, pour notre part, c'est ici, puisque c'est le mandat que nous a donné la, la, communauté internationale qui est de, de soutenir la vulgarisation du droit international humanitaire, nous faisons alors, je peux vous donner par exemple le chiffre depuis cette début d'année. Depuis d'année, on a formé plus de 2000 euh, personnels des forces armées de défense de sécurité sur le humanitaire. On les forme, mais à côté, lorsque nous discutons avec les, officiers supérieurs ou le commandement tactique à DIFA sur des questions qui touchent la conduite des hostilités, ça se traduit aussi par un renforcement des consignes de ces officiers-là sur le comportement des hommes sur le terrain. Euh, peut-être un bref résumé de droits et devoirs que les uns et les autres doivent savoir sur le DIH Alors, de façon résumée, de façon c'est essentiel. Il y a le principe de distinction. Il y a des combattants et des non-combattants. Les combattants, on peut attaquer les combattants et les non-combattants, protégés, on n'y touche pas. Il y a des personnes qui ne participent plus à un conflit, c'est les blessés. On les protège, on les soigne, on les évacue. Il y a des personnes qui ne participent plus au conflit, c'est les personnes détenues. Les personnes, lorsqu'elles se rendent leur droit à la vie est préservé. Si elles sont blessées, elles sont transférées, soignées et puis incarcérées. Et là aussi, leurs droits sont protégés. Et puis finalement, il y a la, je dirais, la, dans la conduite des principes de, de, précaution. Avant qu'on fasse une attaque, par exemple, on s'assure que l'avantage militaire qu'on va avoir est, tellement important qu'il peut souffrir des, des dommages collatéraux. Sinon, on ne le fait pas. Et puis pour finir, pour vous la grande population civile. Vous savez, les, obligations qui obligations qu'impose le droit international humanitaire, c'est par exemple de dire que si pour des raisons militaires, votre conduite des hostilités fait que des personnes civiles sont déplacées, vous avez la charge de vous assurer que ces personnes civiles-là subissent le moins possible les conséquences. Le moins possible, c'est par exemple de des abris, de l'eau, la nourriture ou faciliter le travail des humanitaires. Merci. Nous allons donner la parole à Souleymane, euh, maître Suleiman Seydou, avocat. Euh, quel comportement tenir face à des situations de doute sur l'implication d'une personne euh, dans un conflit, par exemple euh, C'est simple. Nous, juristes, nous avons l'habitude de dire que le doute profite toujours à l'accusé. Le doute profite toujours à l'accusé. Ça veut dire lorsque vous êtes dans une situation de ne pas pouvoir en hein, faire la distinction entre celui qui est combattant ou celui qui ne l'est pas, alors il faut toujours accorder le bénéfice du doute à la personne en considérant que cette personne-là est une personne civile. Merci auditeurs et auditrices du studio Kalangou. Nous sommes à la fin du forum de ce soir euh, sur euh, le droit international humanitaire et la participation des civils euh, au conflit. Nous retenons que dans ce genre de situation où des civils peuvent être amenés à être impliqués, la réinsertion sociale après, quand leur, euh, euh, lien de crime n'a pas été établi, la réinsertion revient à l'État euh, et aux cercles communautaires qui doivent être prisés. Le leadership politique doit primer pour non seulement l'application des textes signés, mais aussi de l'incarnation et la, traduction sur le terrain des engagements pris. C'est ici que prend fin ce forum. Nous étions avec Dadi Omar, chargé de communication au niveau du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Maître Souleymane Sedou, avocat et membre du Rassemblement des acteurs pour la promotion et le respect du droit humanitaire international et des droits, de l'homme, Presse DHTH. Présentation à la Sankouzi Mamadou, réalisation Diallo Mariama Kenda, à la technique Ousseini Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence avec Hamadou Moumouni sur la gratuité des soins aux enfants âgés de 0 à 5 ans. Bonsoir.